asalaamaaleykum mbokk internet Saint Louis TV asalaamaaleykum worldwide asalaamaaleykum képp kuy bëggee émission Dekkil Rap tey dañu ñëw seen cinquième numéro émission Dekkil Rap di dalal euh, benn grand ñu koy wax MK di réaliser fii à Saint Louis Euh, nekkoon aussi tamit grand fii ci hip hop bi gars yi bëri xamoon ko fi mu ménagé fi ay groupe yu bëri euh, ci hip hop Saint-Louis nekk grand bu ñëpp jox cër bu am respect fii ci région bi euh, di la dalal. grand jaajëf jaajëf mu ngi char booy koy. tey jii boo ñu doon présenté sa bopp kan mooy MK. MK c'est un c'est un pionnier du mouvement hip hop Saint-Louis. nekkoon fii ci encadré fi jeunes yu bëri. Euh, doon un promoteur de spectacle yaa ngi fi def ay concert ak ay festival quoi donc ci domaine marketing bi laa gën a laa gën a fi pas mal de groupe liggéey fi ak pas mal de groupe ci ci hip hop Saint-Louis quoi ok bu ñu defee benn flashback bu bu bu gàtt mhm. euh, tey MK yéen groupe la liggéeyal fii nii si rap waaw liggéey naa ak pas mal de groupe j'ai managé par exemple Saint-Louis Soldiers Big euh, euh Bipsum Clan je l'ai managé j'ai managé Check Engis euh, Ligue a aussi ak One Pack y a pas mal de groupes qui ont maintenu ils sont au niveau sommet partie de leur art quoi. kon tey jii nii bu ñu demee ba taxaw tey di di représenter hip-hop bi tey. Mhm. tey gars yi mel ni yéen ñoo taxoon quoi. yéen yéen a jëmbat ñun ñoo ñëw. Mhm. yegg la ñun ñoo roose mu yegg. d'accord euh, tey jii nii nii nii. Euh, lu tax tey ñu invité la si émission bi. mooy da ngay ñëwaat. si si hip hop bi. Mhm. teg benn festival bu mag. léegi dikk dikk ñu tuuti festival bi la ngeen organiser exactement. oui xam nga ñun dañ daan def ay événementiel. Mhm. dañ daan organiser ay ay ay ay activités. Mhm. de concert ay cercon promo ay affaires yu bari en un moment ba ñu xawoon tourné ci volet social bi. demoon ci côté ay consultation gratuite ay dons de sang demoon ci ay domaines formation demoon ci ay domaines euh, journée de l' environnement d' assainissement afrique. On se dit pourquoi pas essayer de relancer euh, la musique urbaine saint-louisienne. Mhm. Pour le relancer, j'ai discuté avec des amis qui ont de ñoom doon ensemble. Mhm. comme Woz bu mhm. actuellement il est en France. actuellement ma waxtaan ak moom ni Woz mais est-ce qu'on ne pourra pas faire quelque chose. bien sûr mais pour faire quelque chose il faut que ñu une une structure bu taxaw. C'est une créer Urban Link. créer Urban Link avec nous on a on a créé ça avec pas mal de jeunes qui ont ne tey. ñu projet quand on crée Urban Link on s'est dit à travers Urban Link qu'est-ce qu'on pourra mettre sur place Ben affaire permettre à que relancer euh, la musique urbaine là on a pensé à faire un festival ce festival c'est ben link possible c'est un festival international organisé il y aura des, des groupes qui vont venir de la France comme la Rime.

man uh-huh. uh-huh. on a pensé pouvoir mettre sur place ce projet uh-huh. on s'est dit, bon, il faut qu'on crée quelque chose, il faut qu'on relance le, le, le, nos activités. On a pensé faire ça avec des amis qui sont à Louga, à Thiès, Urban Link les membres sont partout, Ils sont à, Dakar, à Thiès, à Louga, à Saint-Louis. T'as vu Parce que dans une culture urbaine, chaque région, après, il y a une région. Urban Link, très bien. Là, nous créons une structure de Urban Link. C'est là où est née l'idée de ce cette festival-là. Mm-hmm. C'est là où est née cette idée. Ok, cest au euh, festival, il y a un rapport tout ce qui est culture urbaine ou rap là Non, culture urbaine, là, quoi. Dans le festival, comme que nous, sommes des professeurs, des mm-hmm. professeurs, des formateurs, mm-hmm. on s'est dit que l'activité une doit mener ailleurs. Pourquoi pas on essaiera de ramener ça dans le festival. C'est là que je crée idée aux formation parce que Urban League nous fi nekk ñu nekkoon cercle promo nous avons un un ñu festival organisé on a débuté on a travaillé des années depuis 2004 on a fait aussi euh, euh, un festival avec Arras et Colère du Présent ces deux associations françaises qui se trouvent en France Nous avons organisé une formation slam en Lille, l'histoire. Oui, absolument. Hip Hop Slam Revolution. Mhm. C'était un festival qui, qui était en 2006. Maintenant, wow. nous demandons 2004, nous avons fait promo. Là, on a fait aussi des concerts à Louga avec Nyongozni, euh, on a créé des trucs là-bas, des festivals. Mais on a relancer le projet. On s'est dit pourquoi pas on relance encore le projet avec tant d'années yoo xamante ni ci wala festival dañ ci xawoon dem ah, ah, dañ ci xawoon euh, euh, dem ci benn domaine quoi ñu ngi ci ay activités sociales mais ci wala festi festivité bi moy bi nga xamante ni depuis presque quatre ans bu ñu ñu war ko relancer wat mooy beneen link posible ok le festival bu démarrer cette année chaque année dañ ko mettre en tey euh, euh, première édition première édition wu beneen possible. festival ok festival festival national ou international. festival international bien sûr. la Rime Famille il vient de la France. Mhm. il y aura phase qui fera la formation d'art d'architecte c'est un professeur d'architecture Vous nekk Angleterre il sera là. il y aura Poposa il est international. c'est un Sénégal, mais il est international. Il y aura aussi la présence de Ada Cannibal. Ada Cannibal, yeah. Il y aura ici, les Hot Live seront là de, de la partie. Yeah, hot live, ils seront de saint yeah. Hot Live, et ils renaîtra. ñoom dikkee yi. ah hein, taw yi ñuul kooku la ñuy renaître donc ce sera une formation festival oui, ànd ak formation lay nekk. donc mais mais mais une festival bu toll à Saint-Louis mhm. euh, est-ce que tu tamit médiatisation bi dessus quoi parce que li ma wax ni festival international bi festival yi. Mhm. yóbbeewuñ ko dara. dëgg ci côté médiatisation bi la moo tax liggéey leen ci baax wala yéen a ngi si wala. si depuis ñong ci ah. mhm. parce que actuellement on a on a on a fait des des des des posters. Mhm. yo xam dañ ko wara lancer. dans cette semaine. on a fait des bâches yo xamanteni c'est des fonds de scène avec le logo. c'est commandé depuis euh, Dakar il y aura aussi sur le plan médiatique comme émission yu nous avons commencé à di def démarche depuis parce que festival à cette envergure budget est dafa Il y a un budget énorme te li laaj dafa la première édition il n'y a pas de sponsor il n'y a rien c'est nos moyens personnels qu'on a utilisé pour pouvoir mettre en place ce projet. ok kon tey festival bi kenn jàppale leen si seen ay moyens bopp ngeen ko defee. suñu ay moyens bopp suñu xaalis la investir ko ci festival festival aussi est-ce que risque d'organiser organiser ça, sponsor. Oui, c'est un risque, mais comme première édition, les sponsors parfois, parce que l'idée, c'est en quatre mois qu'on a pris l'idée. Donc on ne peut pas se lancer. Euh, tu as vu, les sponsors aussi, nous lancer aussi bien affaire au milieu. Quoi. Donc première année, il faut un sacrifice, organiser. Quoi. Là, après, il y aura les sponsors qui vont venir après. Mais cette année, c'est notre fonds personnellement, fonds moins personnellement utilisé. Si l'on dit un appartement, si l'on fait les billets d'avion, les artistes, si l'on fait les. là quoi. Donc, on s'est sacrifié pour organiser la première année, la première édition. L'année prochaine, il y aura peut-être des gens qui vont venir nous soutenir avec nos amis comme Lamine le grand du mouvement MAD c'est un ami qui xamante maintenu plus lu ñu de loxo Khadija Rasin, si c'est collaborateur pour son son son elle est là et tant d'autres Pape Sarr jeunes, de tawi c'est les jeunes qui yu puis nous, nous mobiliser wu ngir financièrement ñu mën a projet bi quoi. fàttali ñu festival bi nu mu ak association bi ngay. Urban Link moo organisé. Mhm. Urban Link dafa mobiliser ay jeunes de Louga. festival bi nu mu tudd. Benel Link possible. Benel Link possible. waaw. ok c'est ça le nom du festival et ce sera un festival international y a des centres culturel français mhm. le 19 mhm. et entre libre on entrée libre on cherche rien on ne va pas de tickets on fait rien mhm. donc c'est un moyen la utiliser rek suñu pour faire plaisir et pour faire renaître le mouvement hip hop saint-louisien pour le faire renaître. Tu as vu, le budget est énorme et ce sont nos moyens seulement qu'on a utilisé pour tout simplement soutenir euh, la, musique urbaine saint lusien Permettre aux, saint lusien d'avoir leur maintenir, ça les propre. Parce qu'on a besoin de relancer la musique urbaine, surtout à Saint-Louis ici. par rapport à euh, invités yi yan artistes la xaar fii exemple ni si Saint-Louis. Europe à Saint-Louis ici nous aurons Hot Life. nous aurons aussi Hot Life sera la le premier Ñuul Kooku sera. présent, il y aura euh, euh, RK King, il y a tant de jeunes. Moi, les, jeunes ténors, yeah. révélation. révélation. Tu nous as même donné le fils de Tunkara. C'est un jeune très extraordinaire qui pourra nous faire des, choses énormes et tant d'autres. Mais les têtes d'affiche, c'est Popo qui va venir mm-hmm. et -hmm. et Popo Taï, son artiste au niveau international def au Sénégal def na musique c'est un grand il sera de la partie et des invités qui vont venir à de Cannibal les gens le connaissent oui la Rémétis, c'est un groupe français qui vont qui seront là et sur la formation, nous aurons euh, Feuze, c'est un grand artiste peintre, c'est un calligraphe. Oui, mais Institut français. Institut français, le ah, de conserver. mais la, formation, la formation se fera au niveau de Mais maison de quartier de Djamogan. Ok. C'est ça. Euh, ce dernier mot Ce dernier mot, moi, remercier nos amis. Mhm. Euh, nga xamanteni tay euh luñu tax ñu bonne volonté comme l'Ami du mouvement MAD di remercier papsar situation c'est un jeune bu que sama koñ sama rak la mais lu mu dugg mu dugg ci quoi di remercier Khadija Racine de de Sarr di ko di ko remercier Saint-Louis TV ah. ci seen liggéey aussi di remercier OAGEP et eh, tant d'autres yi nga xamante ni ñoo initiative projet bi quoi et puis di di wax c'est une fête euh, le 19 et puis entrée est gratuite les gens qui viennent pour attacking the project. Yeah, yeah. yeah man, yéen a ko déggandoo le 19 festival dana link possible euh, di am institut français danañ invité comme Popesa Aada euh, Cannibal aussi tamit ay grands artistes international yu jóge partout dans le monde kon gars yi dinañ jox dig daje le 19 à l' institut français. entrée libre entrée free libre. libre waay jaajëf ñu ngi leen di grand merci jaajëf merci di la jaajëfal aussi te rafetlu sa liggéey parce que jeune nga mais yaa ngi def liggéey bu am solo te ñun du ñu liggéey ak coomo te yow sa da nga prouvé ba ñu décroché la mën a def ak yow émission donc lay jaajëfal di la encouragé seen liggéey bu rafet quoi di la remercier bonne chance kon gars yi di leen jox dig dajee ci yeneen émission Dekkil Rap